Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi partout au Sénégal, 12h, temps universel. Bienvenue au grand journal de la RFM. Sommaire de cette édition, affrontement entre étudiants et forces de l'ordre à l'université à de Bombay. Deux policiers blessés et évacués à l'hôpital ce matin. Les étudiants manifestaient pour de meilleures conditions de vie et d'études. Grève des marailleurs du Sénégal pour trois jours à partir d'aujourd'hui. Au premier jour du mouvement, le marché aux poissons de Pékin euh, affecté à tout bas, pas de poissons sur les étals, aux grandes dents des abonnés, au riz, aux poissons. Quotidien. Dans l'actualité politique, le PDS claque la porte du Front de résistance nationale qu'il accuse de connivence avec le pouvoir. La réponse du FRN ne s'est pas fait attendre, vous l'entendrez dans ce journal. Les titres de l'actualité internationale avec vous, Binta Diallo, bonjour. Bonjour Soleiman. Omaro Mbalo, officiellement élu président de la Guinée-Bissau, la CNE s'est réunie aujourd'hui en séance plénière pour valider la décision de la Cour suprême. C'est vendredi prochain que les résultats définitifs et officiels seront proclamés par la Commission nationale électorale. Donald Trump, troisième président des États-Unis, a subir l'affront de l'impeachment. Le Sénat va recevoir l'acte d'accusation aujourd'hui par la Chambre des représentants, procès en destitution mardi prochain. Les détails dans un instant, Binte Diallo. Les titres sport, cher Tidiane Gagne, bonjour. Bonjour à vous, Suleiman, et bonjour, pour, euh, bonjour plutôt à tous. Attendu pour aujourd'hui euh, la décision de la Confédération africaine de ramener la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations de football en janvier. Le président Ahmad Ahmad est au Cameroun pour une visite de travail depuis euh, trois jours. Monaco PSG ce soir en match en retard de la 15e journée de la Ligue 1 française. Et puis volleyball, le euh, tournoi de la Sénégambie. Dakar abrite l'événement à compter de ce week-end. Vous entendrez dans ce journal le président du comité d'organisation du, du tournoi. Le développement dans le journal des sports que vous nous présenterez. Et puis point de vue, aujourd'hui nous discutons des cadres unitaires des partis politiques à l'épreuve du pouvoir et de l'opposition entre alliances et mésalliances. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop, coordination Pape Omar Diaw. Chaude matinée donc ce mercredi à l'université Alioune Diop de Bombay. Étudiants et forces de l'ordre se sont violemment affrontés ce matin au point que deux policiers ont été blessés et évacués à l'hôpital qu'aurait cependant ce Babacar Djoufa. Ils n'ont pas pu décréter un mot d'ordre de grève. Les forces de l'ordre se sont opposées à toute forme de rassemblement d'étudiants. S'ensuit une intifada. Deux policiers sont blessés et évacués au centre de santé de Bambé. Les étudiants réclament toujours de meilleures conditions d'études et de vie à Alun Diop. Mohamed le président de la coordination des étudiants de Alun Diop. Malgré tout, il y a les forces de l'ordre qui sont là en train de nous empêcher d'exprimer convenablement ce qui nous fait mal. Nous sommes en sur-effectif dans cette université. Nous avons des problèmes pour accéder à la restauration avec un seul restaurant de 180 places. Pour des effectifs d'aujourd'hui 9000 étudiants, avec un seul amphithéâtre de 500 places, avec des masters que l'on peine aujourd'hui à, ouvrir, avec des problèmes de connexion au site de Ngundian et des problèmes dans les autres sites comme le site de Durbel et le site principal. Le principal problème, c'est un problème de sureffectif. Ce qui fait le plus mal à leurs yeux, c'est ce mépris que semble afficher leur ministre de tutelle. Le ministre Cheikh Omaran, depuis lors, il n'a pas posé ses pieds à l'université de Bombay. Il ne sait même pas dans quelles conditions sont les étudiants de cette université. Et c'est lui qui a pris l'initiative d'augmenter sur l'effectif 3000 nouveaux bacheliers qui actuellement ont des problèmes pour faire cours. On a tous des problèmes pour accéder à la restauration. Depuis 8 heures, le campus de l'université de Bombay est bloqué. Les éléments de la police tentent de rétablir l'ordre au moment où Bombay est devenu un passage difficile pour les automobilistes qui veulent relier Touba par la nationale numéro 3, Bombay. RFM Babacar Restons dans le domaine de l'éducation avec la section FASTEF SAES qui annonce le blocage de la formation à distance des enseignants contractuels et vacataires. C'est pour exiger entre autres le paiement de plus de 200 millions de francs CFA aux professeurs. En conférence de presse ce matin, le syndicat déplore le non-respect des engagements pris avec le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Compte rendu Amadou Sabarba. Encore des doléances sur la table du ministre de l'Enseignement supérieur. Le SAES e, section FASTEF e exige le paiement des sommes dues et relatives à la formation à distance. Ousseinou Cham, secrétaire général SAES FASTEF. La somme concerne le fonctionnement de la formation. La somme concerne le service effectué par le personnel enseignant. La somme concerne les inspecteurs qui sont sur le terrain, sur les 14 régions qui participent à cette formation-là. C'est environ quelques 200 millions qui concerne aussi 900 agents ou même plus et 900 agents et la liste longue qui qui attendent encore d'être formés. La formation à distance, si on peut le dire ainsi, est malheureusement bloquée. Dans le sens où nous avons demandé aux collègues qui, avaient formé, qui ont formé depuis et qui ont fini la formation depuis juillet de faire une rétention de notes. Et tant que les notes ne sont pas données à l'administration, il n'y a pas de délibération. Sur une supposée négligence de la formation et de la promotion des enseignants du moins et du secondaire, le syndicat accuse son ministre de tutelle. Il s'agit de dénoncer réellement l'attitude des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation depuis Marie Théounian, qui manifeste une négligence par rapport à la formation et à la promotion des enseignants du moyen secondaire. Avec l'arrivée du ministre chez Omar nous avions espéré qu'une solution sera trouvée définitivement. La section SAES PASTEF prend à témoin l'opinion pour toutes conséquences qui découleront de cette situation au Cham. Il s'agit de dire ici et de l'assumer que la section tient le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation comme seul responsable des conséquences de cet appel syndical. Le débrayage de ce mercredi est un avertissement selon le syndicat qui promet de durcir le combat. Si le ne réagit pas. Et puis cette réponse du G20, un groupe de syndicats d'enseignants au directeur de cabinet du ministre de la fonction publique à propos du nombre d'actes d'intégration pris par le gouvernement de la poudrosie selon la section de Kaolac du G20. Voici Adam Akoli, le chargé de communication du G20, Kaolac au micro d'Ibrahim Djamé. Ce que le ministre ne dit pas, c'est le stock. Il ne vous parle pas du stock. La prochaine fois, quand il va parler d'actes sortis, demandez-lui quel est le stock actuel. Ceci était au stock depuis 2013 de 47 000, n'est-ce pas, enseignants qu'on devait reclasser. On vous dit qu'on a sorti 25. Et pendant, imaginez, 2013 jusqu'à nos jours, ça fait 5 ans, les enseignants continuent à faire des examens professionnels, du CAP comme du CEAP. Ils attendent des actes. Alors si on nous dit 25 000, oui, on est d'accord. Mais naturellement, vous voyez que, que ce que nous demandons à l'État du Sénégal, c'est d'arrêter de faire du dilatoire autour des préoccupations des enseignants. Et je vous ajoute que le G20, tout à l'heure on a parlé de la représentativité du G20. Ce qui nous différencie des autres, c'est que le G20, lui, il est là pour prendre en charge la préoccupation des enseignants. D'ailleurs, si vous constatez, il a fallu attendre que le G20 déroule un premier plan d'action pour que les autres commencent à s'agiter. Donc de ce point de vue, nous, nous pensons qu'aujourd'hui, c'est nous qui sommes aux côtés des Asiens. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Ce sont eux qui assurent la distribution du poisson et autres produits de la mer, des quais de pêche au marché, tant dans les villes que dans les zones rurales, aussi bien à Dakar que dans tout le reste du pays. Or, pour trois jours, à partir d'aujourd'hui, les marailleurs sont en grève pour dénoncer l'application aux camions frigorifiques du règlement de l'UMOA qui prévoit une sanction pécuniaire ainsi qu'un déchargement de tout excès de poids à l'essieu au marché aux poissons de Pékin. La grève est fortement ressentie. Reportage Ndongoka. Sur le hall de vente du marché central aux poissons, une cliente croisée entre les boxes est au bout de ses efforts. Sous à la main, elle a longuement tourné en rond sans apercevoir le poisson. Je suis désolée, il n'y a personne. Je suis venue pour chercher du poisson, mais il n'y a rien. J'ai rien trouvé. Y a rien. Ce matin, la grève des marailleurs a presque ralenti toutes les activités au marché aux poissons. Se lever le matin très tôt pour aller acheter du poisson pour euh, votre petite famille et vous vous trouvez que le marché est en grève. C'est un peu désolant. Certains vendeurs qui avaient fini d'exposer leurs produits sont obligés de plier bagages. Visiblement, ils en veulent aux protestataires. D'autres, à l'image de Abdoulaye Diagne, vendeurs de crevettes, ont déjà la solution pour écouler leurs produits. Par rapport à les jours précédents, bon, il n'y a pas assez de clientèle aujourd'hui. Par rapport bon, à notre boulot aussi, ce qu'on devait vendre, on ne l'a pas écoulé. Donc c'est un impact. On est obligé bon, de livrer les commandes à l'extérieur, dans les autres marchés. Mais par rapport au marché local là ici, bon, il n'y a pas de clientèle. Apparemment, ce n'est pas seulement le panier de la ménagère qui souffre de ce premier jour de grève. Des maraîchers au marché central aux poissons, Nonga Kapikine, Radio Futur Média. À l'intérieur du pays, la grève des marailleurs a également des conséquences sur le menu du jour. Les poissons étaient absents des étals et l'emblématique riz aux poissons risque d'en prendre un sacré coup dans certaines familles. Certains le déplorent et invitent le gouvernement à trouver une solution. Correspondance à Touba Diop. Un marché sans poisson, c'est le constat à Daromarnan. Sur place, les tables sont vides. tiara vendeuse, dit affectée par la grève. Je n'ai rien du tout vraiment. Il n'y a pas de poisson aujourd'hui. Hier, j'ai essayé en achetant une caisse de poisson, mais j'ai perdu 15 000 francs CFA. Alors que nous sommes des débrouillards, la situation est compliquée. Certains vendeurs se sont démenés pour avoir quelques chose à proposer aux clients. Hadi devant son étal, n'a que quelques poissons. En plus, ils sont de très mauvaise qualité. Vous voyez comment c'est cher. Ce poisson est proposé à 250 francs CFA aux clients parce qu'il y a la grève. C'est très difficile. Les clients n'en ont cure. Elle est prise d'assaut. J'ai réussi à trouver quelque chose d'acceptable. Face à cette situation, les clients se remuent les ménages pour trouver quelque chose à proposer à midi. Ah, Je propose du bon tchèbouchechar à midi. La grève des marailleurs de Touba très sentie au marché de Daro Marnan. Vendeurs et acheteurs demandent aux autorités compétentes de trouver un compromis avec les grévistes. Dans le secteur de la santé, la grève du personnel du centre de santé de Tchonkessil dans le Bignona. Pour cause, l'eau a été coupée dans la structure sanitaire et les agents craignent d'être contaminés par des maladies nosocomiales. Voici leur porte-parole, Sunkung Dieju, au micro de la Minba. Donc, euh, depuis le 2, nous avons connu euh, une coupure d'eau. Donc, il euh, y a ce problème de pénurie d'eau euh, ici à l'hôpital, au centre de santé de Chongkasil Donc, euh, qui dit hôpital dit propreté. Donc, nous n'avons pas d'eau et même les gens qui qui sont logés à l'hôpital n'ont pas d'eau. Donc tous les services n'ont pas d'eau. Donc nous craignons ces problèmes de, de contamination, ces problèmes nosocomiales qui fait qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas prendre ce risque de travailler dans ces conditions. Et on a vu, on a jugé anormal vraiment de travailler dans ces conditions où il n'y a pas d'eau. Parce que après chaque acte, chacun doit euh, laver ses mains, on doit stériliser le matériel. Et tout ça, euh, c'est l'eau qui doit, euh, en tout cas, c'est l'eau qui est à l'origine de tout, à la question de tout ça. Qu'est-ce qui explique la rupture d'eau La rupture d'eau, nous, on nous a dit qu'il y a il y a une facture, euh, fait des factures non payées. Mhm. Et ces factures non payées, nous, on s'est dit que peut-être c'est la mairie qui doit payer ces factures. Le, le préfet a demandé à ce qu'on laisse l'eau, mais jusqu'ici, il y a ce problème de pénurie d'eau. Moi, j'ai rencontré le médecin-chef du district. Lui, il m'a dit qu'ils étaient en réunion à la préfecture de Bignona. Le préfet, les, les différents maires et les médecins CEF. Mais depuis lors, on ne voit pas ces taux-là qui nous, qui nous disent qu'il y a, l'eau est Et puis cette réponse du directeur de l'hôpital Henrik euh, Lupke de Djourbel, aux agents qui sont également en mouvement. Selon Mamadou Lamine Dien, il n'y a pas d'argent pour euh, payer euh, les primes. Il invite les travailleurs à reprendre le travail dans l'intérêt des patients. Je vous propose de l'entendre au micro de notre correspondant à Djourbel. Euh, nous avons tous juste demandé au personnel par rapport au paiement de la motivation du mois de janvier et par rapport au défi de trésorerie que nous sommes en train de vivre, de différer le paiement des primes de motivation et des heures supplémentaires. Euh, nous reconnaissons que c'est un droit, mais aujourd'hui, avec euh, les difficultés actuelles, l'hôpital ne peut pas faire face à toutes ces charges-là. Parce que nous avons également d'autres exigences en termes de fonctionnement en termes de paiement des salaires à la fin du mois de janvier, mais également tout simplement en termes d'achat de médicaments et de réactifs pour pouvoir continuer à faire fonctionner cet hôpital. Et je pense que nous demandons juste au personnel de pouvoir, en tout cas, planifier un paiement de ces charges du personnel pour pouvoir tout simplement permettre à l'hôpital de continuer à fonctionner. C'est ce que nous leur avons demandé. Apparemment, ils ont refusé. Mais nous sommes en train de négocier et de discuter avec eux. Hier, le conseil les a reçus pour continuer la discussion. On espère que euh, les choses vont évoluer positivement. En tout cas, nous n'avons aucune difficulté aujourd'hui à pouvoir euh, continuer à négocier et à se concerter pour trouver une solution à ce problème-là. Les propos de M. Mamadou Lamine directeur euh, de l'hôpital Heinrich loupke de Djurbel, ont été recueillis par notre correspondant à Djurbel dans la région, Babacar L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Une série de meurtres d'enfants est enregistrée à travers le pays ces derniers temps. Le dernier cas en date a eu lieu dans la région de Ziguinchor, au quartier Canten, situé dans le village de Madina Mankagne. Une fillette de 4 ans a été tuée dans des conditions atroces. Le psychologue Serine Mormbaye explique cette situation par la négligence. Il n'écarte pas la thèse euh, du sacrifice humain. Euh, Serine est joint par El Les enfants sont négligés. Vous savez, le nombre d'enfants qui sont errants euh, et sans ancrage dans votre pays, eh c'est ça la, problématique. Euh, au-delà de cela, ben, je pense qu'il y a, lieu dans ce pays aussi de s'occuper de la santé mentale de, certaines personnes, parce qu'il y a des schizophrènes qui errent, il y a, des, maladies, des malades mentaux qui errent et qui sont même au sein de nos quartiers, euh, au sein des familles et qui ne sont pas pris en charge. Donc voilà le, le, topo. Négligence des enfants qui sont euh, des milliers d'enfants sont dans une situation d'errance. Au-delà de cela, les repères situationnels sont, sont complètement perturbés. Il y a tout le possible dans ce pays. Et à partir de ce moment-là, les pratiques magico-fétichistes, ben, ils en font tous les jours. Et bien souvent, il y a certains sorciers, manipulateurs de l'ordre et du désordre qui le réclament euh, des, sacrifices Tout ça est possible dans ce bling-bling et ce magma informe euh, qu'est le Sénégal aujourd'hui. Et je pense que pour la sécurité, il faudrait quand même, au-delà des forces de l'ordre, il faudrait que les communautés les réveillent à prendre conscience euh, d'elles-mêmes et des facteurs de risque dans leur environnement. Dans l'actualité politique, le démarrage des travaux du dialogue national sur fond de divergence des membres du comité de pilotage dédramatise. Pour eux, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, pour ainsi dire. Le vrai travail se fera en commission. Georges Déti-Diop. roquette Gassama fait partie des représentantes des organisations féminines. Pour elle, il n'y a pas péril en la demeure tout début est difficile. À la lecture de ce qui s'est passé, c'est une première réunion. C'est normal que bon, les politiciens parlent de leur position et le président Famara Ibrahim Sagna, je pense, qu'il a été élu consensuellement par tous les acteurs, euh, maîtrise bien la situation. Mais c'est normal. Quand on parle de dialogue, c'est des discussions entre acteurs. Il n'y a pas du tout péril à la demeure. Babacarba du Forum du Justiciable, lui aussi, minimise. Rien de grave, selon lui. Il est membre du comité de pilotage pour le compte de la société civile. Je peux dire que jusque-là, Hein, tout, se, tout se passe bien. C'est vrai qu'hier, il y a eu quelques essences euh, sur, la procédure, j'allais même dire euh, sur la forme, et ce qui est très normal. Donc, c'était juste des mises en point. Donc, je pense qu'avant d'entamer le débat de fond, il faudrait quand même y mettre les formes. C'était juste des mises en point, des questions procédurales, et je pense que c'est ce qui est... Euh, donc, c'est des choses qui sont, qui sont très normales, parce qu'avant même d'entamer le débat de fond, il faudrait que les gens soient d'accord sur le règlement intérieur, mais également sur certaines questions procédurales. Ainsi, pour Okiatou Gassama, tout comme pour Babakarba, le vrai travail se fera en commission. On est, on est tombé d'accord sur pas mal de points, donc euh, il faut d'abord qu'on essaie quand même d'adopter euh, le règlement intérieur et après, bon, le débat de fond pourra commencer. Le travail des commissions, déjà à travers euh, comment l'analyse et les observations qu'on va mettre dans le règlement intérieur, les commissions vont travailler. Chaque commission va travailler et fournir des recommandations qui seront discutées vraiment d'une façon consensuelle et qui seront après portées justement à, l'attention du président de la République. Vous pensez qu'on va être embarqué dans des discussions pour perdre notre temps pour euh, vraiment dans des discussions politico-politiciennes Non, tout le monde est intéressé par les problèmes des Sénégal et Dieu sait qu'il y en a. À l'origine de la confusion, les membres appartenant à l'opposition ont dénoncé l'ajout de 40 personnes à leur insu au comité de pilotage du dialogue national, lequel se réunit à nouveau demain jeudi. À ce sujet, d'ailleurs, le leader du parti Visa déplore la démarche unilatérale du président du comité de pilotage du dialogue national. Détier Diouf estime que Famara Ibrahima Sanya a fait une erreur en élargissant la composition du comité sans des concertations au préalable. Il était l'invité de RFM ce matin, vous l'avez sans doute suivi. Et puis, pour clore ce journal, le grand parti dénonce la sortie de Maître Abdoulaye Wade qui explique euh, le départ du Front de résistance nationale par la connivence de certains leaders de ce cadre avec le pouvoir. Vous entendrez euh, cette réponse euh, dans nos prochaines éditions. L'actualité internationale. Bonjour Binta Diallo. Oh, bonjour Souleymane. En Guinée-Bissau, la CNE met à exécution la décision de la Cour suprême. Qui est d'invalider tous les recours émanant du candidat malheureux au second tour de la présidentielle. La Commission nationale électorale s'est réunie aujourd'hui en séance plénière pour approuver tous les procès-verbaux issus du scrutin qui a porté à la tête de la Guinée-Bissau le candidat du Madame G15, Omaro Sissoko Mbalo Noa Mankali à Réunie à la Commission nationale électorale a approuvé tel que requis par la Cour suprême de justice de la Guinée-Bissau le procès verbal des résultats du second tour des élections présidentielles qui avaient donné la victoire à Oumar Sissoko En conséquence, la Commission nationale électorale a approuvé ce procès verbal par 10 voix en faveur dans un total de 18 personnes réunies à cet effet, à savoir des représentations des candidatures de Oumar Sissoko et de Domingos Ousmane et d'autres candidats au premier tour. Avec cela, la Commission nationale électorale a rempli l'ordonnance de la Cour suprême et remettra encore aujourd'hui le procès verbal aux différents organes de souveraineté et de candidature, a déclaré une source de la Commission nationale électorale à la presse. La CNE a souligné également qu'elle attendra deux jours avant de publier les résultats définitifs des élections présidentielles en Guinée-Bissau, donc plus tard le vendredi. La Commission nationale électorale avait déjà rendu public les résultats provisoires du second tour de l'élection présidentielle, donnant la victoire au candidat Oumassi Sohombalo avec 53,55% contre le candidat, son rival Domingo Ousmane Frera, le candidat malheureux, avec 46,45%. Domingo Ousmane Frera, soutenu par le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert a contesté ces résultats et a dénoncé la fraude électorale devant les tribunaux Bissau guinéen Nouamen Bissau. Au Mali, l'imam Diko en course pour les élections législatives. L'imam Mahmoud Diko, à la tête de la coordination des mouvements, associations et sympathisants selon RFI, est en train de ratisser large maillage de ses structures dans les six communes de Bamako. Objectif participer aux élections législatives dont la date officielle n'est pas encore publique. La SEMA se prépare également à se présenter à l'élection présidentielle de 2023. Et puis en route pour le procès en destitution du président américain Donald Trump. C'est aujourd'hui que la Chambre des représentants va transmettre au Sénat américain l'acte d'accusation contre Donald Trump. Après cela, selon France 24, plus rien ne va empêcher l'ouverture du procès euh, du président euh, Donald contre le président Donald Trump, le troisième de l'histoire des États-Unis à subir l'affront de l'impeachment, selon euh, le chef de la majorité républicaine au Sénat. Le procès en destitution du président Trump pourrait s'ouvrir mardi prochain et un accord commercial entre la Chine et les États-Unis signature aujourd'hui à Washington selon RFI, ce qui va mettre fin à la guerre commerciale qui existait entre ces deux pays. C'est tout, Suleiman, pour cette page internationale. Merci, Binta Diallo. Agissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue tout à l'heure, euh, aujourd'hui nous discuterons des cadres unitaires des partis politiques à l'épreuve du pouvoir et de l'opposition. Entre alliances et mésalliances, et pour en parler, nous serons avec Ibrahim Bahoum, journaliste formateur, et avec Babacar John, analyste politique. Bonjour à vous, cher Tidiane Bonjour à vous, Slimane. Cannes 2021, Ahmad Ahmad en visite de travail au Cameroun. Depuis lundi, d'importantes décisions vont être prises à l'issue de cette visite du patron du football africain, notamment le retour de la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations aux périodes habituelles en janvier. L'avis du premier vice-président de l'Association camerounaise des entraîneurs et éducateurs de football, Thierry Metomo, que nous avons joint ce matin. Je crois que c'est une décision qui appartient beaucoup plus n'est-ce pas, à la Confédération africaine de football. Parce que la Confédération africaine, ma foi, est en train pratiquement de céder, je voudrais dire, entre guillemets, à un chantage qui est engagé par l'UEFA et puis la FIFA. Et ça, c'est ce que nous n'acceptons presque pas. Mais si il y a décision de jouer en janvier, d'ailleurs c'est ce qui est en train de se peaufiner, je crois que nous n'aurons que nous n'aurons rien à faire. Nous allons accepter au niveau du Cameroun de faire avec la date de janvier. Le Cameroun aujourd'hui s'est doté de plusieurs c'est vrai qu'il y a le stade principal qui devrait abriter le match d'ouverture, c'est-à-dire euh, le stade de Lembe, qui pose encore des difficultés, qui pose des problèmes, mais les autres stades sont pratiquement prêts. Les infrastructures hôtelières sont pratiquement prêtes, c'est-à-dire dans tout le pays aujourd'hui, nous sommes prêts à accueillir un grand événement. C'est au niveau de la voirie municipale, c'est-à-dire les, routes euh, que, qui a encore quelques légers problèmes, mais les voies d'accès au niveau, n'est-ce pas, des sites proprement dit, c'est-à-dire des stades, sont déjà aussi pratiquement prêts. Donc, comme j'ai signalé au départ, le seul hit en ce moment, c'est le stade d'Olembe. Mais même sans le stade d'Olembe, le Cameroun est capable d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations en ce moment. Et d'ailleurs, pour le Chan, je crois que ça ne se discute plus. Le Chan, c'est en 2020, toujours au Cameroun, en prélude donc à la Grande Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2021. Les retrouvailles Monaco-Paris Saint-Germain ce soir à 20h en match retard de la 15e journée de la Ligue en française. Le week-end dernier, les deux formations au bout d'un match à rebondissement s'étaient neutralisées trois buts partout. Au classement, le PSG leader avec 46 points alors que Monaco est loin derrière avec 29 points pour une 8e place au classement. Mais avant cela, 18h, d'autres matchs en retard du championnat français, notamment Nîmes-Rennes suivi d'Amiens euh, contre reims Soleiman. Après le foot, le volleyball, Dakar abrite ce week-end le tournoi de l'intégration de la Sénégambie. C'est 16 au 20 janvier. Le tournoi va se dérouler au stadium Maru C'est sur initiative des fédérations des deux pays afin de mieux consolider l'intégration entre ces deux populaires. Nous allons écouter le président du comité d'organisation, son nom Maïdem. C'est un tournoi qui a été initié entre les deux fédérations gambiennes et sénégalaises depuis l'année dernière. La Gambie a organisé la première édition et le Sénégal euh, organisera la deuxième édition ici à Dakar. Les équipes participantes, c'est des équipes du quatre équipes du Sénégal et quatre équipes de la Gambie qui sont finalistes de la Coupe de la Gambie et la Coupe du Sénégal. L'organisation se fera sur place à Dakar le vendredi matin à partir de 8h jusqu'à midi et de 17h jusqu'à 11h de la nuit. Autant le samedi aussi 8h30 midi et le soir 17h 11h euh, de la nuit. Et le dimanche, on, va faire la finale le soir. Nous avons invité également aussi les présidents de fédération de la zone pour qu'ils viennent euh, s'imprégner de la compétition et de l'organisation parce qu'on a l'ambition véritablement d'élargir la compétition au niveau de la zone 2. J'en profite vraiment pour lancer un appel aux autorités étatiques pour qu'ils nous viennent en aide parce qu'on a un budget assez lourd, parce que nous devons prendre en charge 152 personnes en hébergement et en restauration. Et j'invite tous les sportifs à venir assister à à cette grande manifestation clap de fin donc de cette page des sports, Suleiman. Merci, cher Tidiane Diagne. Dans une poignée de secondes, la revue de la presse, mais avant cela, retour à l'actualité pour annoncer que le procès en appel de Barthélémy Diaz a encore été renvoyé au 13 mai prochain. C'est dans le cadre de l'affaire du meurtre de Ndiaga Diouf en 2011. Le maire de Mermoz Sacré-Cœur avait été condamné en première instance à deux ans de prison, avec, dont six mois ferme. Revue de presse. La presse de ce mercredi 15 janvier 2020, lue et commentée par Georges Detty-Dioper. Rififi au dialogue national. Le comité de pilotage a démarré ses travaux hier sur fond de divergences, comme le souligne Sud Quotidien. Les échos renchériques, invectives, chamailleries et divergences ont rythmé l'installation. La pompe de discorde, le quotidien, le quotidien indique que l'opposition a dénoncé l'intégration à son insu de 40 autres membres dans ce comité qui en comptait déjà 86, soit au total 126. Ainsi, source A, titre Famara et compagnie à la Borne Fontaine. Les échos parlent de désaccords profonds et d'une confusion totale pour l'AS. Famara Ibrahim Sanya démarre mal son dialogue. Famara Ibrahim Sanya qui assume tout si l'on se fie au journal Le Quotidien. S'il y a erreur, en l'occurrence, dit-il, j'assume l'essentiel de l'erreur parce que c'est moi qui ai dit au président de la République d'augmenter le nombre dès le départ et de mettre des femmes méritantes. Alors, s'il faut en vouloir à quelqu'un, mes chers amis, fusillez-moi. Des propos du président du comité de pilotage rapportés par presque tous les journaux dont l'Observateur qui fait fait état d'un hors-sujet. En effet, Famara Ibrahima Sanya, pour se justifier, a déclaré que plus de 90% des membres du comité étaient des hommes. Et si vous regardez parmi les 40 personnes qui sont ajoutées, il y a plus de 80% de femmes. Il n'y a aucune manipulation et personne ne peut me manipuler. J'ai fait 42 ans d'administration et personne ne m'a jamais manipulé. Je n'ai jamais manipulé qui que ce soit non plus. Réaction de Omar Sarr, leader de Sokali Sopi à la première page de l'Observateur. Si ça continue comme ça, il n'y aura plus de dialogue. Pendant ce temps, son ancien compagnon, Abdoulaye Wade, abandonne le front de résistance nationale et accuse. C'est ce qu'affirme l'observateur, confirmé par l'AS pour qui Wade se retire du FRN. Selon l'observateur, l'ancien président explique sa décision par des dysfonctionnements au sein de cette organisation de l'opposition. Il ajoute que certains membres du FRN seraient en collusion avec le pouvoir de Macky Sall. Mais pour le coordinateur du front, Wade a été très mal informé et dans l'AS, Mokhtar Souran rappelle que quand Ouad a rencontré Macky Sall, ils n'ont pas dit qu'il est allé se compromettre. À lire Mokhtar Souran dans l'AS et l'Observateur. L'Obs, justement, le journal retrace le parcours qu'il juge controversé du président du CNRA, Babacar Diagne, qui a, selon mon confrère, su toujours se rendre indispensable d'un régime politique à l'autre. Enquête sur le président du CNRA, Babacar Diagne, entre ange et démon. C'est à la page 5 de l'Observateur. À la une de l'enquête, gendarmerie National nationale, Général Tin, chamboule Le journal informe que le boss de la gendarmerie vient d'opérer un grand remue-ménage avec 77 mutations dans le top management et 482 au sein des troupes. Enquête relève une belle percée des femmes dans le commandement et souligne que le haut comme veut redonner à l'état-major son rôle de conception, d'impulsion et de direction des opérations. La gendarmerie, très attendue en ce qui concerne la sécurité des populations, une véritable préoccupation D'ailleurs, ce matin, Vox Populi fait état d'une série de meurtres effroyables. Au moins six enfants assassinés en un an. La dernière victime, Maimouna Bari, âgée de 4 ans, égorgée hier à Cantène dans la commune de Niagis. La gendarmerie, selon Vox Populi, a ouvert une enquête et interpellé un suspect. La police, de son côté, a marqué l'année 2019 de ses empreintes à Touba, en tous les cas. Source a fait savoir que les deux commissariats et le poste de Gouimbin ont saisi plus de 12 kg de chanvrinien, démantelés les 42 bandes qui écumaient la ville sainte et déféraient 1225 individus pour divers délits. À la une du journal Le Soleil, il est question de l'exploitation du champ pétrolier de Sangomar. Le quotidien gouvernemental affirme que le processus est lancé. La mise en production est prévue début 2023 avec une cible de 230 millions de barils de pétrole brut. Sport pour terminer à la page de titre de stade, Sadio Mané, Keita Baldé, Ismail Assar, Habib Diallo que le journal appelle les quatre enfants fantastique de Sissé. Sadio, le guide de l'attaque, Keita Baldé qui veut reconquérir sa place, Ismail Assar qui retrouve sa vitesse de croisière et Habib Diallo, le jeune ambitieux. Leur coéquipier, Khalidou Koulibaly, lui est annoncé en Angleterre. D'un record, le journaliste italien Fabio Santini affirme que Koulibaly signera à Manchester United en juin. D'un record toujours, un entretien avec Site. Au menu, son séjour aux États-Unis, son intrusion dans le MMA, son combat contre Papasso, le lutteur de Lansard dit être de retour la reine a besoin de lui et Siteu Papasso, selon lui, sera feu et flamme. À vos kiosques et bonne lecture. À 12h et bientôt 34 minutes, bienvenue à Point de vue. Nous discutons aujourd'hui des dynamiques unitaires à l'épreuve du pouvoir et de l'opposition entre alliances et mésalliances. Et pour analyser les derniers événements avec une perspective historique également, euh, dans ce domaine. Nous sommes en ligne euh, avec euh, M. Ibrahim Bahoum, journaliste formateur. Ibrahim Bahoum, bonjour. Bonjour Suleiman. Nous sommes également avec Babacar John, analyste politique. Babacar John, bonjour. Bonjour Suleiman. Alors je reste avec vous. Dernier événement, le PDS qui claque la porte du Front de résistance nationale l'un des euh, multiples cadres unitaires euh, de l'opposition. Mais euh, ce n'est pas la première. Ces, derniers mois, ces dernières années, toutes les dynamiques unitaires ont connu des soubresauts. tout à fait le contraire de ce qui s'est passé avant 2000 avec le fameux Front pour l'alternance, avant 2012 avec le Front Ben, ben Boko, Benno voilà. Euh, alors comment expliquez-vous justement le fait que l'opposition ne puisse pas euh, consolider son unité ces dernières années Oui, on a quand même l'impression, Suleiman, que depuis 2012, en tout cas, depuis, euh, depuis la, la, la présidentielle, l'opposition a du mal à se retrouver. Aujourd'hui, l'équipe PDS n'a pas le même combat que les, autres partis de, de, l'opposition. Ce qui serait mieux, c'est que par exemple les, têtes de pont, que ce soit Idriss Seck, Ousmane Sonko et Abdoulaye Wade, par exemple le, PD, se retrouvent. En 2007, quand, il y a eu donc cette victoire en tout cas de, de Abdoulaye Wade au premier tour, ils ont compris que c'était important de se de retrouver. Mhm. Ils ont boycotté la législative de 2007 et ils ont pu donc en 2012 gagner les élections. Aujourd'hui, on ne voit pas cette unité. Parce Wad, il n'a pas le même combat que les, autres partis de l'opposition. Wad, c'est vrai, euh, on peut le savoir aujourd'hui Wad, son combat, c'est Karim, Karim Wad. Hmm. Euh, donc, donc, il avait pensé que en rencontrant Macky c'était important pour, lui, en tout cas, que Karim Wad soit amnistié, ou en tout cas, Karim, Karim le de Karim Wad soit revu, et ce qui n'a pas été le, cas. Donc, Ablaï, euh, donc, donc le, le qui ne se, retrouve retrouvent pas dans ce dialogue. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, Ousmane Sonko même ne se retrouve pas dans ce dialogue. Et ce qui est grave, c'est que euh, c'est des, gens qui, ne représentent pas grand, chose, qui représentent cette position-là au niveau du dialogue. Même par exemple que Famara Ibrahim Sagna puisse choisir d'autres personnes à intégrer ce, dialogue, pour intégrer ce, dialogue. Je crois que c'est parce que c'est une opposition faible. Si l'opposition avait pu donc gagner ce rapport de, de Ibrahim mm-hmm. ne pourrait pas peut-être choisir d'autres personnes sans pour autant donc rencontrer l'opposition et lui demander son avis. Très donc, bien. je crois que c'est cette euh, dispersion, en tout cas de l'opposition, qui, qui, fait que, oui, voilà. Très bien. Ibrahim Bahoum, quelle est votre analyse euh, de, l'évolution des cadres euh, unitaires de l'opposition depuis ces deux dernières décennies euh, Babacar évoquait tout à l'heure le fait que les composantes de ces cadres unitaires n'ont pas les mêmes objectifs. C'est pas nouveau. avant 2000 et avant 2012, euh, les, partis membres de ces cadres unitaires n'avaient pas forcément les mêmes agendas, mais ils s'entendaient sur euh, une base essentielle à partir de laquelle ils menaient un combat avec beaucoup de pugnacité. Oui, ce qu'il faut noter, Babacar Suleiman. Suleiman, vous parlez de l'avant 2000. Mm. Avant 2000, il y avait un parti socialiste qui était là, très fort, structuré, organisé, avec en face un leader charismatique qui s'appelait Abdoulaye plus Abdoulaye que le PDS, mais quand même, euh, c'était l'ensemble, disons, donc le PDS, mais surtout la personne d'Abdoulaye Wade. Euh, ceux qui se sont mis derrière Wade à ce moment-là, c'était des partis qui, de toute façon, savaient que individuellement de par leur leader, ni de, ni par leur leader, ni de par leur organisation, ils n'avaient des chances de battre le PS. Donc, ils se sont mis derrière le PS, bon, bon en malin parfois avec des critiques, mais ce pas pas, pas, méchant. On arrive à, 2000, l'année 2000, euh, la purge commence dans les rangs de, ceux qui avaient accompagné WAD, des fenestrations de, par et recomposition. Alors, on arrive à 2007, évidemment, ceux qui n'étaient pas contents avaient commencé à avoir une sorte de regard euh, plus critique sur le pouvoir de 2000 à euh, alors. Euh, ça que d'un côté, d'autres qui l'ont accompagné. Ils se sont dit, ah, maintenant, il y a moins de battre Wad. ils n'ont pas réussi à le faire. On arrive évidemment avec Wad qui gagne et on, saute des étapes jusqu'en 2012, même si effectivement avant 2012, il y a eu encore cette réorganisation de l'opposition, euh, euh, le Front Sénégal, Ben voilà, Sénégal. à euh, tous mhm. mais surtout parce que le pouvoir libéral, effectivement, avait commencé à dangereusement chuter, chuter dans l'opinion, et puis bon, par rapport à d'autres choses qui se sont passées à l'étranger, mais bon, on en parlera plus tard peut-être. Mhm. Donc, le PDS, évidemment, le pouvoir libéral avait été affaibli dans l'opinion de ce point de vue-là. Donc, ceux-ci ont retrouvé du dynamisme en se disant, il est possible de le battre, mais pour le battre, évidemment, on se met ensemble. Donc, les gens du PS sont venus, donc ceux qui avaient été battus en 2000, ceux qui avaient été vainqueurs, mais qui ne sont pas satisfaits, donc, sont revenus, ils ont fait un mouvement contre. Alors, les mêmes savent maintenant qui était allié de qui, qui a fait quoi avec qui au Sénégal ou à l'étranger, etc. Donc, forcément, le mouvement, euh, comment est-ce qu'on appelle ça le front politique s'est élargi autour de 300 personnes, il est devenu aujourd'hui très difficile de savoir exactement avec qui elle et qui veut faire quoi. Et le pouvoir également n'a pas baissé les bras. Le pouvoir travaille parfois en, les infiltrant, en leur envoyant des, gens qui prétendent être de l'opposition alors qu'ils ne sont pas, même pas de l'opposition. Il faut voir par exemple les dernières législatives, on s'est retrouvé avec des couleurs qui avaient été euh, choisies exprès pour brouiller les cartes. Donc ce jeu, le pouvoir a sa stratégie là-dedans de, de, diviser. Et maintenant, le PDS, Ward n'est plus euh, candidat à quoi que ce soit, il ne peut plus être. Donc, il n'y a que son image qui peut rester. Mais cette image, il ne suffit jamais en politique. Donc, il y a de nouvelles vagues qui sont en train de monter. Et je pense que ces gens se disent, si ces vagues-là montent, alors que euh, le PDS est encore plus ou moins considéré comme non pas incontournable, mais en tout cas essentiel du point de vue de la crédibilisation des, des fronts, évidemment, les gens ont encore besoin de lui. Mais le pouvoir ne laisse pas tomber il fait son travail, il joue son jeu. Euh, il y a des opposants qui ne sont que de noms. Il y a d'autres qui... j'entends parler de non-alignés dans des trucs de... bon, j'ai des problèmes, je ne sais pas ce que cela veut mm. dire, mais bon, mm. eux, ils savent déjà. Donc, je pense que tout cela mis côte à côte, évidemment, a fini par la, rendre la situation tellement confuse qu'il n'y a que la les gens qui peuvent émerger en sont, par exemple, qui, occupent l'espace et tout, tout mais d'autres qui n'occupent pas suffisamment l'espace, qui grenouillent peut-être en dessous pour qu'on sache quoi, qui divisent, qui, qui règnent, qui, appuient, on ne peut pas savoir. Donc, aujourd'hui, voilà la difficulté de l'opposition. Il y a tellement de fronts, il y a tellement d'intérêts qui ne sont pas les mêmes partout. Il n'y a jamais eu tous les mêmes intérêts dans, un même sens, mais au moins, il y avait une sorte de jeu très clair. Maintenant, ça n'est plus clair parce que l'adversaire qu'ils ont en face, n'est pas plus fort que le PS, n'est pas plus fort que le PDS, mais en fait, c'est l'opposition, évidemment, qui est allée dans, dans, toutes les directions. Chacun veut être maître quelque part. Ceux qui ont quitté le PDS font ce qu'ils font. Ceux qui, ont, quitté l'AFP vont ailleurs, etc. Et là, c'est la confusion et là. Ça, Très bien. Ah, alors, Babacar John, euh, comme euh, l'a évoqué euh, Ibrahim Bahoum, entre autres facteurs, hein, absence d'un leader charismatique euh, aussi fort que Maître Abdoulaye Wade, euh, dispersion des troupes sur le front. Euh, avec une atomisation du paysage politique, 300 partis et d'autres facteurs encore. On évoque également le fait que dans les fronts précédents, il y avait le trident LDMPT, PIT, Andijov, les partis de gauche qui avaient cette expérience extraordinaire dans les stratégies de, lutte contre les pouvoirs en place. Est-ce que pour vous, c'est un facteur explicatif crédible Oui, ça peut dire, parce qu'Abdoulaye Batili, quand même, à Soro et Landing avaient, joué un rôle assez important pour euh, retrouver donc potion, pour, pour regrouper potion Déjà en 2000 avec Abdoulaye Wade, et également en 2019 euh, avec euh, Maxal. Mais je crois que c'était beaucoup plus compliqué avec Ousmane Tanordien, feu Ousmane Tanordien, Moustapha et les autres qui ne s'entendaient pas. Mais ils ont pu quand même s'unir pour faire euh, les assises et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, c'est pour ça, je, disais tout à l'heure que par rapport aux têtes de pont, quand même on a fait des, élections. On sait que Ousmane Sanko représente beaucoup de choses maintenant. On sait que Idriss également représente, même si le PDS n'a pas été aux élections, je crois que quand même le PDS est une entité assez importante, même si c'est quoi qu'on ne voit pas. Donc je crois que l'opposition devrait savoir que à partir de ces trois personnalités-là, on pouvait faire une union, une coalition qui pouvait se battre contre, en tout cas, ce, régime du président Macky Mais aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, on voit que l'opposition est représentée par des personnalités, excusez-moi de la répétition, qui ne représentent pas grand chose. Même dans ce cadre-là du dialogue, c'est un rapport de force. Si le, le, président Ablaï, euh, comment il s'appelle encore, ose, par exemple, je l'ai dit tantôt, inviter d'autres personnes à la table sans en référer à l'opposition, c'est parce qu'il n'y a pas eu de consultation et ce rapport de force va au profit donc de, de et de ceux qui le, qui représentent. Je crois que vous l'avez dit, euh, il n'y a pas assez de représentants de la gauche qui puissent. Maître, Maître Adam Gay avait essayé, hein, vous vous rappelez, à la veille donc, de, la, de, la, présidentielle. Ce n'est pas peut-être un parti de gauche, ni une personnalité de la gauche reconnue, mais il avait essayé. Mais on a senti au bout d'un moment que ce n'était pas possible. Aujourd'hui, Ousmane Sonko, et pour finir, Ousmane Sonko et Idriss Seck, qui devaient également s'allier parce qu'ils sont sortis premiers et deuxièmes par rapport à cette élection. Mais vous voyez, les représentants. Ils ne s'entendent pas forcément. Tout à fait. Et ça, ça, euh, euh, donc, ça ne les permet pas, en tout cas, de faire face Très bien. Alors, Ibrahim Bahoum, pour euh, terminer, et très brièvement, s'il vous plaît, euh, Détier Fall de, de invite à nouveau l'opposition dans le cadre d'une grande alliance. Est-ce que vous pensez euh, que c'est la voie à suivre Quels sont euh, les risques, euh, les risques, les chances de réussite de cet appel de, de autour d'une grande alliance Ce qui constitue les causes de l'échec jusqu'à évidemment, va continuer parce que dès qu'à bon vouloir euh, réunir des gens, et avoir euh, de, l'ambition pour cela, il se trouve que c'est les intérêts qui ne sont pas les mêmes. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours, entre les leaders dont on parle aujourd'hui, il y a toujours quelques éléments de, de suspicion, euh, quelques petits antagonismes qu'il y a eu avant. Donc, chacun vient avec un visage d'ange comme ça en disant, ben, on travaille, mais derrière, il y a toujours un petit jeu en se disant celui-ci m'a fait ceci hier ou alors hier il a fait cela au pays, donc il n'est pas question pour moi de, trop me, confier à lui. Je pense qu'il y a encore du travail à faire là-dessus et ça peut prendre un certain temps. Maintenant, est-ce que Détier à lui tout seul ça suffit Je ne suis pas. Quand je dis Détier à lui tout seul, je veux dire que Détier est le, le Mais vous savez, en politique, c'est également ça. Il y a l'image des personnes, il y a leur discours, tout cela compte en même temps. Sans compter qu'il y a en face euh, le président Macky Sall qui euh, a travaillé avec euh, tout ce beau monde dans le cadre d'autres coalitions ou d'autres cadres unitaires. Donc, il les connaît très bien, il connaît leurs forces et leurs faiblesses. Merci en tout cas à tous les deux.